forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 7 de 15 minutes à Niamey. Monsieur, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de la presse du studio Kalangou au micro Nafisa Damou Comme chaque vendredi, le forum est consacré au décryptage de l'actualité qui a marqué la semaine. Pour cela, nous, nous sommes aujourd'hui avec des confrères de la presse en ligne écrite. Il s'agit de Ousseini Issa, journaliste indépendant, Jafar Mamadou du journal L'Indépendant Plus et nous nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée d'Elhaj Hajj Suleiman du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Euh, avec euh, eux, nous débattrons pendant 45 minutes euh, du jugement en appel du journaliste de la radio et télévision Bonferré, dont le verdict est attendu le 12 mars prochain, ainsi que du procès des militaires et civils accusés d'atteinte à la sûreté de l'État en décembre 2015, reporté au 23 janvier prochain par le tribunal militaire. Nous parlerons de la prolongation du délai de repentance accordé aux combattants nigériens du groupe islamiste Boko Haram par les autorités de la région de Difa. Ensuite, il sera question de l'arrivée des migrants par vol charter ici au Niger et du naufrage des migrants de la Méditerranée qui a fait 48 morts de nationalité malienne. Pour finir, nous parlerons de la nouvelle marche citoyenne que compte organiser le collectif de la société civile ce dimanche 14 janvier pour obtenir la révision de la loi de finances 2018. Bonsoir à tous. Nous débutons ce forum par la question de notre confrère Baba Alpha. Lui et son père sont accusés d'usage de faux en écriture publique. Ils sont condamnés en première instance à deux ans d'emprisonnement ferme, dix ans de privation de droits civiques et des amendes de 300 000 chacun. Baba Alpha a comparu lundi dernier en appel. Il sera fixé sur son sol le 12 mars prochain après le délibéré de la Cour d'appel. Je commence par vous, Ousseini Issa, journaliste à indépendance, versé dans le jet de discrédit. Que faut-il espérer avec ce jugement en appel oh, Ce que je peux souhaiter, parce que c'est un souhait, mm-hmm. c'est qu'à l'issue du verdict, que Baba Alpha, comme son vieux père, soit remis en liberté. Mm-hmm. C'est ça le souhait. Parce que tout simplement, moi, je continue à considérer Baba Alpha comme un journaliste. Mm-hmm. Parce que le journalisme n'a pas de frontières. Ce n'est pas y compris même ce qu'on lui reproche, si c'est avéré, quelle que soit la nationalité, en tout cas dans le cadre qu'on est en train de prôner là, d'intégration, un journaliste, moi j'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, mm. je ne vois pas pourquoi on va diaboliser pour faire en sorte que euh, quelqu'un qui a exercé pendant des années, qu'on puisse dire que peut-être quand même quand il va récupérer sa liberté, qu'il ne puisse pas continuer à exercer. Oui, ajoute de ces... Oui. C'est ça, moi, mon souhait. Mm-hmm. Parce que tout simplement, le journaliste n'a pas de frontières. Vous pouvez être nigérien, vous allez dans un autre pays. Une fois qu'il y a quelqu'un qui peut être là pour faire en sorte que vous puissiez exercer dans les médias locaux, il va créer les conditions pour que vous puissiez exercer dans les médias locaux. Mm-hmm. Maintenant, mon souhait, effectivement, je n'ai pas pu assister malheureusement au procès, Mm. Mais de par les échos que j'ai eus, c'est que la défense a fait un travail remarquable et que euh, le, euh, le 12 euh, mars, je crois, prochain, mm-hmm. c'est qu'il puisse recouvrir sa liberté en même temps que son père. Mm de votre côté, le 12 mars prochain, peut-on espérer la libération de notre confrère, surtout qu'il aura passé exactement une année et une dizaine de jours derrière les barreaux oui, je pense qu'il y a, l'espoir, il y a l'espoir, euh, l'a dit, selon les échos <coughs> dans le débat au fond, il y a l'espoir. Et cet espoir-là, nous ne pouvons que l'entretenir euh, du moment où, euh, en première instance, il a été privé de ses, ses droits pendant jusqu'à cinq ans, mm. ce que nous trouvons un peu lourd, sinon même très lourd vu euh, son rôle euh, et sa, contribution en tant que journaliste, je pense que on ne peut que souhaiter mhm. que euh, qu'il puisse jouir de ses prérogatives de journaliste mhm. et de continuer à apporter sa contribution euh, euh, euh, dans, le secteur, dans le secteur des médias et même pour le bonheur de la démocratie, puisque le fondement, l'un des fondements de la démocratie, c'est la liberté d'expression et la liberté d'expression comprend la liberté de la presse et mhm. sa contribution ne peut pas être négligée en tant que journaliste dans tous ces dans sa contribution n'est pas négligeable dans la promotion de la démocratie. Et c'est mhm. pour cela nous nous souhaitons que, j'espère que, à partir du 12 mars, il va recouvrer sa liberté et mhm. il va peut-être euh, reprendre son travail en tant que journaliste, puisque va mhm. apporter Baba sa contribution dans, euh, euh, en tant que d'ailleurs journaliste et en tant que membre associatif du secteur des médias. Et, pour avoir été président de la maison de la presse, je pense que c'est pas rien en termes de contribution. Mhm. Et c'est pour cela on a vraiment besoin de lui qu'il reprenne son travail. Il y a espoir. Voilà. <laughs> Autre procès, c'est celui des militaires et civils accusés d'atteinte à la sûreté de l'État en décembre 2015. Un procès prévu s'ouvrir le 8 janvier, mais repoussé au 23 janvier à la demande de la défense qui veut prendre le temps d'examiner toutes les pièces contenues dans le dossier. Écoutons les explications de Maître Ali Osamna, un des avocats de la défense au micro de notre reporter Moussa Hassan. Le dossier n'a été mis à notre disposition que le vendredi avant-hier. Donc il y avait une précipitation anormale qui a été faite de la part des organes de la poursuite, à savoir le commissaire du gouvernement, pour nous amener à cette audience. Mais par bonheur, le tribunal déjà nous a suivis en prenant acte du fait que la procédure n'a pas été mise à notre disposition dans les délais requis et qu'il nous faudrait, après que la procédure ait été mise à notre disposition, que nous puissions non seulement discuter des éléments avec nos clients, mais discuter aussi entre nous, avocats, pour pouvoir élaborer la meilleure ligne de défense pour nos clients, étant entendu que notre objectif, c'est la manifestation de la vérité. Nous avons rendez-vous au tribunal le 23. Nous avons assuré les gens de la poursuite que nous serons à ce rendez-vous, que nous ferons régler la vérité des faits et qu'à l'issue de ce procès, nos clients seront tous relaxés. Retour euh, dans ce studio, euh, je reviens vers vous, Jafar. Que faut-il euh, retenir de ces propos de l'avocat Ali Osamna que nous venons d'entendre oui, on trouve qu'ils ont, ils ont bien défendu le dossier puisque le tribunal les a écoutés et a accepté de, de, reporter le procès. Ça veut dire que ils sont, il est dans son rôle et et euh, on espère que le tribunal, de par cet acte, puisse continuer à, jouer son rôle le plus objectivement possible. Puisque euh, moi, je pense que, comme ils disent euh, les magistrats, la liberté, quand ils sont sur un dossier, c'est ça la priorité. Mm. La condamnation, elle vient en, dernière position, mm. puisque aucun juge ne commence à trancher euh, une affaire pour condamner, mm. mais pour euh, rendre justice. Et si la justice coïncide avec la liberté, il, préfère plus qu'elle coïncide avec la liberté que la condamnation. Mais mm-hmm. toujours est-il qu'il euh, se réfère à la loi. C'est dire que c'est déjà un espoir puisqu'ils sont gardés depuis longtemps et euh, il y a eu assez de précipitations de part et d'autre, euh, tantôt pour envenimer, tantôt euh, pour essayer de mettre de l'eau dans le bain. Mm-hmm. de ce débat-là sur l'affaire du coup d'État, je pense mm-hmm. que le procès édifiera les uns et les autres et c'est ça la, la, la, la grandeur d'une démocratie à travers sa justice qui rend des décisions équitables. Et on ne peut qu'espérer que le tribunal militaire puisse continuer dans la logique déjà saliée par les avocats mhm. des accusés, c'est déjà, je pense, une bonne entame. Mhm. Et qu'on souhaite que, euh, que ce dossier soit vidé en toute euh, impartialité. Euh, c'est le Niger qui grandit, mhm. c'est c'est la démocratie nigérienne qui grandit. je pense que tout un chacun a à gagner à ce que le, procès soit équitable. Merci à vous. Notre troisième invité, Elhaj Suleiman du journal La Ligne Niger Inter, vient de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je reviendrai vers vous le temps de donner la parole à Ousseini Issa. Euh, comment imaginez-vous le déroulement de cette grosse affaire dans le tribunal militaire avec des avocats civils bon ben, Je crois que le procureur a un peu recadré les choses à l'ouverture du procès. Il a expliqué un peu comment les choses doivent se dérouler parce qu'il a dit qu'il y a des acteurs qui ne doivent pas être dans le, dans, le processus qu'on doit mettre de côté, mm. d'après les explications qu'il a données. Maintenant, pour revenir un peu à ce qui s'était passé la dernière fois, euh, Samna vient de dire que c'est seulement le vendredi qu'on leur a transmis les dossiers. Mmh. procès devant s'ouvrir lundi. Il a également parlé de précipitation. Oui, justement, mhm. c'est là où je voulais en venir. Mhm. Quand on veut abonder dans le sens de manifestation de la vérité, on crée les conditions pour que les avocats, parce que dès le départ, ces personnes détenues ont quand même euh, constitué des avocats. Une fois que le dossier, on doit, on devait pouvoir leur donner les documents pour qu'ils puissent assurer, comme avait dit, la défense de manière efficace. Mhm. Quand ils ont senti qu'il y avait un coup, ils ont naturellement, et je suis content que le tribunal ait accepté que la procédure, en tout cas, que le jugement intervienne, ils ont demandé à ceux qui y répondent, mm. parce que c'est pas séance tenante qu'ils peuvent venir juger, alors qu'il y a des nouvelles pièces apparemment qui ont été versées dans les dossiers, qui tendent à incriminer, parce que <laughs> le dossier a été considéré par ceux qui ont, comme avait dit, qui, ont mené, comment dire, la procédure, mm-hmm. les, les, comme avait dit, la, procédure. Mm-hmm. C'est une bonne chose, moi je pense, et c'est un début qui augure qu'on va vers un procès où il y aura une manifestation de la vérité. Mhm. Est-ce qu'il y a véritablement eu tentative de coup d'État mhm. ou juste il s'agit simplement de créer une situation pour inquiéter des officiers supérieurs et des civils. des civils. Merci à vous. Elage Suleiman, euh, pensez-vous, comme leur avocat, euh, que tous ces accusés seront libérés à l'issue du procès euh, Bon, vous savez, un procès, on ne sait jamais l'issue d'un procès. C'est mm. pourquoi, véritablement, quand il y a un procès, tout le monde, euh, en tout cas, se donne euh, pour justement, parce qu'il est question de euh, vraiment de dire la vérité, de rendre justice. moi, je pense que le plus important dans cette affaire, c'est que, contrairement à ce qu'une certaine opinion a fait croire, en tout cas aux, aux Nigériens, que c'est une machination, euh, que bon, il n'y aura jamais un procès parce que le dossier est vide. Je pense que le plus important au niveau, en tout cas, de l'opinion, c'est qu'au moins on sait que véritablement malgré tout, ce procès va, se tenir. Parce qu'à la vérité, euh, il faudrait aussi que les gens se disent, euh, des affaires comme ça, ça prend souvent beaucoup de temps mhm. parce que c'est assez délicat. Euh, c'est une, bonne chose en, deux ans, ça peut aller jusqu'à 45 ans. ans. Mhm. Dans tous les cas, moi, le plus important, c'est que les Nigériens puissent vraiment accéder à la vérité. Le fait que les avocats de la défense euh, aient demandé le, report et qu'ils ont eu gain de cause. C'est mhm. une, très, bonne chose. Mhm. Euh, un confrère euh, disait sur un média international que le souci de la, défense, c'est l'arrivée d'un avocat français, qui peut venir en tout cas renforcer donc, leur collectif. Dans tous les cas, je pense que la forte attente des Nigériens, c'est que il faudrait que qu'on sache Vraiment qui a fait quoi. Mm. Parce que vous savez, comme cette affaire assez grave, parce que le ministre de la Défense de l'époque avait dit, il a dit sur honneur que eh, au moins quatre, dont le principal euh, donc, acteur, le général Salou Suleiman, pour ne pas le nommer, mm. ont reconnu les faits, même si effectivement euh, le général a, démenti euh, par son avocat. Donc c'est, je pense, assez grave. Et lorsque le président de la République vient informer la nation, euh, je pense que les faits sont assez graves euh, pour qu'on puisse véritablement enfendre aux Nigériens. Mhm. Euh, que C'est ce qui s'est passé. Mhm. Donc moi, je pense que pour le moment, en tout cas en tant que citoyen, notre attente, c'est que vraiment le tribunal, en tout cas, puisse euh, faire vraiment le travail dans des conditions, franchement, de, justice, mhm. à savoir que si effectivement ils sont coupables, qu'il soit sanctionné de la euh, euh, en tout cas, euh, de, manière rigoureuse, tout comme s'ils sont, en tout cas, non coupables, qu'ils soient dédommagés, en tout cas, qu'ils soient vraiment réhabilités. Mais n'oublions pas quand en tout cas, que pour ceux qui savent, ces gens sont déjà inculpés. Cela veut dire que lorsque le juge avait décidé, après une investigation, de libérer les civils et les militaires. Je pense que c'est parce qu'il a quelques éléments, mais pour le moment, euh, nous sommes loin en tout cas de vouloir nous émixer. Mais c'est dire que véritablement, on est très avancé parce qu'au mhm. que au moins, on sait que l'affaire va être jugée. Mhm. Autre euh, sujet de la semaine, c'est le délai indéterminé de repentance accordé aux combattants nigériens de Boko Haram. Monsieur Jafar, que pensez-vous globalement de cette euh, possibilité de repentance Oui, je pense à à son initiation, c'est une bonne chose, même si les avis sont partagés. Euh, mais en partant de la jurisprudence, on peut dire que c'est une bonne chose si ça peut permettre, mhm. si ça peut permettre de, récupérer nos frères, nos compatriotes qui participent à cette euh, euh, macabre entreprise. Mhm. on se rappelle des mouvements rebelles par lesquels on a euh, réhabiliter même certains dans, dans des hautes euh, fonctions de mhm. l'État euh, en acceptant qu'ils déposent les armes. C'est pour cela que je parlais de jurisprudence. Même si de l'autre côté, les, les, les, mouvements ne sont pas les mêmes, puisque au moins les, rébellions ont une, un agenda bien défini et, et, des revendications bien claires. Mais pour ce qui est de la nébuleuse, de Boko Haram, je pense que euh, il y a une certaine euh, prudence et une certaine euh, intelligence à circonscrire la repentance. Mm. Parce que la repentance de celui qui a déjà appris à tuer, étant jeune et qui a appris à tuer, sans, sans, sans rien revendiquer, peut-être par le plaisir de tuer et de, et, de piller, moi je pense que lorsqu'on essaye de les accepter, il faut euh, qu'il y ait un dispositif mhm. assez réfléchi. toutes les conditions. doivent être créées pour, pour réinsertion. Mhm. Puisque le débat aujourd'hui, on le voit même en Europe, où ça cause véritablement des problèmes aux psychologues euh, et autres psychanalystes pour mhm. euh, euh, ce qu'ils appellent la déradicalisation de, ce qu'ils appellent radicaliser, même si nous, mhm. on n'est pas dans le même contexte, dans les mêmes concepts, mhm. l'acceptation des mêmes concepts. Mais je me dis que euh, ça demande vraiment beaucoup de réflexion et de stratégie, mhm. et aussi assez de prudence. Parce que lorsqu'on dit qu'on accepte quelqu'un qui a appris à tuer, qui a appris à égorger, quels sont les moyens que nous avons pour qu'il euh, soit euh, qu'il soit réinséré socialement mhm. et qu'il se débarrasse de ses, de états d'esprit et de reprendre sa place socialement. Mhm. Mhm. C'est un débat extrêmement important. C'est vrai, dans un premier temps, ils, vont abandonner le front, ils vont abandonner les armes, ils vont abandonner le crime, mais est-ce qu'ils vont l'abandonner pour toute une éternité dans la société C'est cela le débat, je pense, qu'il faut poser. Et quels sont les moyens que l'État ou euh, les initiateurs de cette euh, stratégie de repentance ont ou pensent mettre en place pour que ce que je viens d'évoquer là puisse se faire de la façon la plus rationnelle possible. Mm-hmm. On le sait, la date du 31 décembre était initialement la date butoir, mais à la demande des chefs coutumiers et religieux de Difa, il a été décidé de le prolonger pour toujours. Elhaj Suleiman, comment expliquer euh, le choix de cette euh, option Est-ce parce que la faisabilité était complexe euh, Bon, je pense que si les sages l'ont demandé, c'est que c'est toujours vraiment dans les affaires humaines ne pas se mettre dans un carcan, euh, c'est pourquoi justement il est important de, de réfléchir, euh, de ne pas vraiment euh, simplement en face de manière dogmatique de se non, c'est le 30. Non, je pense que l'ouverture c'est une très bonne chose parce mhm. qu'en réalité c'est une situation assez complexe où il y a des gens qui veulent venir et qui hésitent, donc le, le 31. Dans tous les cas, même si on décide euh, donc de, ceux qui ne sont pas venus, dans tous les cas, quoi que, qu'il en soit, mhm. il nous faut chercher véritablement ces jeunes gens, à voir comment les récupérer ou bien comment les combattre. Mhm. Donc, euh, moi, je pense que, comme l'a dit euh, Jafar, mhm. moi, je suis de ceux qui pensent que c'est toujours bon, en tout cas, de chercher à dialoguer. La repentance est une très bonne chose. Même le Créateur, en tout cas, euh, nous demande de nous repentir euh, lorsque mhm. effectivement nous sommes en conflit avec sa loi. Mhm. Donc euh, même pourquoi nous à l'échelle humaine on ne peut pas effectivement pardonner euh, C'est vrai, ça dépend aussi. Il y en a qui pensent qu'en réalité euh, ce pas des gens qui sont de bonne foi. Bon, mais moi je pense que en réalité si le gouvernement était amené véritablement à accepter cette possibilité, c'est parce que véritablement il y a des raisons. Et vraiment des raisons, c'est que, euh, par exemple, on sait que ces jeunes gens aujourd'hui, euh, en plus de psychologues, il faut chercher aussi des religieux qui sont en train de faire le travail pour maintenant, en tout cas, faire un contre-prêche. Parce mhm. que ce qu'on leur a euh, euh, euh, inculqué comme, en fait, idéologie, comme doctrine, mhm. on est en train de voir le vrai islam, voilà. je pense que ce travail-là, on doit le faire parce que, entre autres raisons qui amènent ces gens à, à, rejoindre, en tout mhm. cas, le terroriste, non seulement il y a justement cette mauvaise information, mm-hmm. il y a la pauvreté, ces questions aussi. Je pense euh, il y a d'autres institutions qui sont en train de, de, de, travailler donc dans le sens euh, de, de, vraiment d'agir parce que le plus important ce n'est pas ceux qui sont membres avec Boko Haram c'est ceux qui sont encore là dans la société qui mm-hmm. sont appelés aussi à les rejoindre ah, Boko, Haram donc moi je pense que de mon point de vue c'est une très bonne chose euh, de chercher vraiment la souplesse c'est le sens d'amener les, gens à revenir en tout cas à la raison. Mhm. La question du pardon, Hussein Issa, vous qui avez vécu à Difa, pensez-vous que la population elle est assez tolérante pour tout pardonner une fois que ces ex-combattants reviennent dans la société Bon, mais vous mm. savez, Dieu même pardonne. Mm. C'est clair. Dieu même, parce que on fait torse à ce que Dieu veut qu'on fasse sur cette là on ne fait pas, mais Dieu nous pardonne. Mais pour ce qui concerne la, situation de la prolongation indéterminée pour les acteurs qui veulent, qui veulent revenir, moi j'ai dit, ça peut avoir un effet boomerang. Ça peut avoir un effet boomerang. Pourquoi Parce que ceux qui sont allés déjà sur le terrain, qui ont tué, qui ont tué délibérément et de manière gratuite. Mm. Parce que tout simplement, ils ont considéré qu'ils étaient dans une situation de pauvreté parce qu'ils sont partis comme ça au Nigeria. Ils ont été enrôlés, comme ça, par vague. Ils ont été enrôlés. C'est une situation de pauvreté généralisée qui concerne pas seulement les jeunes de DIFA, mm. mais également les jeunes d'autres pays, d'autres régions du pays. Maintenant, comment on va faire une vanne pour dire c'est de manière indéterminée Cela, qui sont en train peut-être de revenir, c'est parce que peut-être ils ont estimé que ils ont fait suffisamment d'investissements. Mm. Ce n'est pas exclu. Parce que c'est de l'argent qu'ils gagnaient. Ils sont partis à cause de la pauvreté. Mm-hmm. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de manière euh, la compréhension de la religion. Difa fait partie des, pays de ce pays-là, des régions de ce pays où la religion est très ancrée. La région de Difa je sais de quoi je parle. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne prend pas les dispositions nécessaires pour encadrer, ça va poser problème par la suite. Mhm. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que il y a les parents, les familles de tout ce beau monde-là, mhm. qui a été tantôt, les gens qui ont été égorgés tantôt. Par exemple, ces personnes qui sont enlevées, les 39 femmes et enfants, et enfants qu'est-ce qu'on fait de leur cas mm-hmm. Je veux bien qu'on se préoccupe, mm-hmm. mais qu'on se préoccupe aussi du cas de ces personnes qui sont à Parce que ça pose un problème de conscience. Mm-hmm. Comment on peut accepter des gens parce que eux, c'est eux qui ont décidé délibérément parce qu'ils connaissent la région, ils sont de la région, ils sont venus, ils ont collaboré avec des personnes qui sont venues à leurs parents. Comment ça va se passer est-ce que si le gouvernement, les autorités régionales acceptent de... C'est bien avant l'enlèvement. Mm-hmm. On a, dit, il faut, il faut on, fait une ouverture. Maintenant, c'est la durée indéterminée. La durée indéterminée. Indéterminée, oui. Ça veut dire que même ceux-là qui ont enlevé, on peut. Ils peuvent revenir. Ils, peuvent revenir. Mm-hmm. Ça pose un problème parce que les familles, là, les familles, quand on sait que son parent est mort, là, on l'a enterré, on a fait le deuil, on peut oublier. Mais quand on ne sait même pas si son parent est en vie, toujours, ou est mort depuis longtemps, ça pose un problème. Mm-hmm. Et c'est ça la difficulté. Parlons à présent de la des migrants qui continuent d'arriver au Niger. Le 10 janvier dernier, le personnel de l'Organisation internationale de la migration OIM basée à Niamey a accueilli et assisté 163 migrants arrivés de la Libye dans un vol charter, une rotation d'avions organisée grâce à un financement de l'Union européenne. Elage Suleiman, quels sont euh, les avantages ou inconvénients dans cette euh, opération de rapatriement des migrants? Bon, euh, si vous savez, une action, je veux dire que c'est la conséquence d'une situation et c'est que bien euh, vrai tout le temps que cette situation euh, en tout cas le problème était posé la solution de l'Union européenne et aussi des gouvernants en Afrique c'est le maintien des migrants sur le continent africain et je pense que véritablement, cette politique euh, frise un peu l'échec parce qu'on se rend compte à l'évidence que malgré tout le dispositif, en tout cas euh, répressif, qui est mis en place, la volonté, le désir d'aller ailleurs mhm. euh, au niveau de l'agence africaine est réel. Donc, par conséquent, euh, l'essentiel, c'est de voir véritablement les motivations qui amènent ces gens à partir. Et c'est pourquoi je pense que euh, à l'arrivée de euh, Macron ici au, Niger, il a reconnu la logique du président Issou, la théorie, en tout cas euh, développement, sécurité, et migration. Donc je pense que le plus important, c'est des solutions plutôt économiques, agir sur le développement en tout cas pour que la jeunesse puisse avoir un espoir et la maintenir. Mhm. Parce que moi, je pense que si on doit réfléchir sur la question de manière vraiment, euh, en tout cas à l'échelle universelle, c'est que l'immigration, historiquement, comme disent beaucoup de chercheurs en tout cas, c'est un phénomène en tout cas universel et euh, qu'on ne peut pas vraiment, par la loi, réprimer parce que simplement les principes de la liberté voudraient qu'en tout cas, pour une raison ou pour une autre, les gens en tout cas vont traverser de nord au mm. sud, de, l'est, à l'ouest. Mm. Mais maintenant, en faire vraiment un problème, euh, euh, ça aurait bloqué la jeunesse africaine. Et vous savez, l'opinion euh, africaine a beaucoup à dire parce que véritablement on pense que à travers l'histoire, il y a des problèmes parce que de l'autre côté, on se sent en tout cas exploité et ceux-là nous exploitons vraiment pense que là-bas chez, eux, euh, la jeunesse c'est un problème. Non, bien au contraire, moi je pense que là-bas, euh, en réalité, euh, la jeunesse africaine aussi, là-bas, c'est elle qui fait, elle fait l'histoire parce qu'elle mhm. passe en tout cas de l'économie de ce pays-là, mais il y a comme chez eux, en tout cas, une mauvaise gouvernance de la question. Ils ont d'autres problèmes, en tout cas, mais ils veulent en tout cas les imputer sur la jeunesse africaine. Bref, de mon point de vue, en tout cas, il faut plutôt mettre l'accent sur les raisons qui amènent ces gens euh, à, partir. et vraiment de trouver une solution. Mmh. ces, jeunes, ils sont nombreux qui, qui, arrivent euh, depuis un certain temps. Donc, avec ce retour massif de ces migrants, selon vous, quels peuvent être les impacts de la société nigérienne L'impact, c'est grossir le rang des chômeurs. C'est le premier impact, même s'il est négatif. Puisque. Mm. Euh, qu'est-ce qu'il faut Lorsque c'est, on, se rappelle hein, de la stratégie française euh, euh, dans les années 2000 et peut-être 98-2000, mm. où la France a commencé à faire de rapatriement volontaire. Il y a un système où le gouvernement français demande aux Africains qui sont là-bas, qui veulent revenir dans leur pays et on les accompagne avec une, une, petite cagnotte, un petit financement, un <clears throat> petit appui pour revenir investir dans sa région. On l'a fait, mais ça n'a pas empêché, ça a même euh, euh, motivé d'autres à partir pour revenir avec un petit, un petit appui. Mhm. Ça veut dire que le problème, euh, seulement de la toucher, c'est un problème de développement. la, seule façon de, freiner le, cette migration, c'est plutôt le développement local. Mhm. Et on ne peut le faire que la responsabilité qui incombe aux, aux dirigeants africains, c'est la promotion du secteur privé. Mm-hmm. On a l'impression que le secteur privé euh, en Afrique, comme au Niger, euh, n'est pas la priorité des, dirigeants des différents régimes. Mm-hmm. Les réformes, d'une les <laughs> business, on en parle, mais véritablement, il n'y a pas. Mais c'est un secteur où l'État devrait injecter en plus des réformes, l'accompagnement du secteur privé. Aujourd'hui, il n'y a aucune banque nigérienne qui peut donner à un privé euh, un, financement, sans, une garantie qui ne peut pas supporter. Mm-hmm, mm-hmm. C'est-à-dire ce qu'on voit ailleurs. Mais il y a une loi qui, que, que, qui a été votée euh, ou adoptée par le gouvernement en Conseil de ministres, je n'ai pas, suivi le processus, pas suivi le processus au mm-hmm. niveau du Parlement, qui permet aux banques euh, d'être souple et même co euh, porteur d'un projet. C'est-à-dire, je suis porteur d'un projet en tant que jeune Nigérien. Mhm. Je peux aller vers une banque si elle, euh, il est, il est, rentable. Mhm. Euh, elle peut s'associer à moi et on crée un compte au niveau de la banque. On me finance, mais les retombées, les bénéfices tombent dans, le compte de la mhm. banque et on fait, chacun prend sa part et on partage le bénéfice sur un temps. mais ça reste au, au niveau théorique, mais on sait que c'est au Niger où le secteur privé a, un mur euh, entre, lui et la banque, entre son projet et la banque. Mais pour que véritablement que ce jeune-là reste dans les pays, il faut que les dirigeants africains investissent, prennent en charge euh, euh, le secteur, privé. Maintenant, le retour. Qu'est-ce qui a été prévu pour le retour Si c'est pour ramener ce jeune là et peut-être les accompagner. On se rappelle de ceux qui étaient revenus pendant la transition militaire mhm. euh, euh, ou qui, qui, sont presque abandonnés. Bon, l'accompagnement n'était pas à, la hauteur de, de, de l'environnement économique au mhm. Niger qui, mhm. pour pouvoir organiser une petite entreprise. déjà là ils se sont constitués en collectif, ils ont crié, ils ont crié. certains se sont retrouvés même en syndicat, mais ils n'ont pas de mhm. Ça veut dire que le retour n'est pas la solution. Mhm. Le retour, il faut que ça soit accompagné. Il faut que ça soit dans, la durée, qu'il y ait euh, le nombre de ceux qui viennent, qu'ils soient pris en charge en termes de formation mhm. et en appui euh, de petits projets pour qu'ils puissent exercer. Moi, je vois plus un secteur que l'initiative 3N, si vraiment elle est conséquente, doit prendre en charge. C'est la question de ces jeunes-là, qu'ils soient formés dans le domaine agricole et qu'ils soient, accompagnés, qu'ils pour mm-hmm. la production. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes inondés de tous les produits par la, par la sous-région même euh, <laughs> les, les, plantes qu'on estime être d'origine nigériennes ou qui sont sur le sol nigérien euh, nous viennent maintenant des de, pays voisins. Mhm. Moi, je pense qu'on a tout perdu dans les secteurs au niveau de, la, à vous. politique. Issa, comme vous venez de l'entendre, justement, que faut-il proposer pour occuper ces migrants euh, à leur retour afin qu'ils deviennent une richesse et non un nouveau problème pour le bon, Niger D'abord, moi, je suis, contre le politique que nos gouvernants, en tout que nos, gouvernants, là, nos pays là, accepté que de dire que non, non, il faut retenir les gens chez vous. La mobilité est un droit universel. Ils sont venus chercher chez nous l'uranium. Ils sont en train de prendre l'uranium. On gagne quoi dedans Ils sont là, ils prennent le pétrole. On gagne quoi dedans Quel mécanisme mettre en place Le tour n'est pas de dire nous, on va freiner. Le tour, c'est de créer les conditions pour que les jeunes. Parce qu'on décide de quitter quand on ne se sent pas bien chez soi quand on sent qu'on est à l'étroit chez soi, on a envie d'aller voir ailleurs. Mm-hmm. Ce n'est pas de gaieté de cœur que ces gens-là, tu sais bien qu'en traversant le désert, tu vas mourir. Mm-hmm. En prenant l'océan là, tu vas mourir. n'est pas évident que tu arrives à destination. Mm-hmm. Mais ils décident quand même d'aller. Ils préfèrent aller mourir dans la mer que de rester chez eux dans l'humiliation et l'indignité. Mhm. Parce que tout simplement, il n'y a aucune perspective qui s'offre à toi. Voilà tout le problème. Maintenant, que nos dirigeants accompagnent les Occidentaux là qui ont d'autres chantiers ou d'autres agendas, moi je dis c'est mauvais. Mhm. C'est mauvais. On fait d'abord par rapport à l'exploitation de nos ressources et on crée les conditions mhm. d'emploi des jeunes localement. On a assez d'espace, ceux qui n'ont pas on a une population jeune, ceux qui n'ont pas. Le jour où les gens vont arriver à freiner le déplacement massif des jeunes là-bas, ils vont sentir ça eux. Parce qu'ils n'ont plus de personnes, en tout cas physiques, solidement, pour pouvoir faire certains travaux. Mhm. Les gens qui vont là-bas, c'est pour faire des travaux. Je parle sous le contrôle de Mahmoud Souleymane mhm. qui est là devant moi. Mhm. Ce n'est pas pour faire des travaux dans des bureaux, c'est pour aller souvent faire les travaux qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Maintenant, ils disent ils n'ont plus besoin. Mais qu'on les laisse. Mais qu'on crée les conditions et qu'on leur dise les matériaux que vous venez prendre chez nous là, on n'est plus d'accord que ça se passe comme ça. Et on n'est plus consentant que vous veniez nous dire que non, non, le coût de cette matière a baissé, mm. par conséquent, nous, nous baissons. Si mm. vous ne voulez pas, on va chercher un partenaire, il y en a plein. Mm. Il y en a plein, il y a des pays qui sont prêts à venir les mêmes matières là qui sont en train de dévaluer, parce que c'est eux qui créent la dévaluation de ces matières là, mm. que ce soit l'uranium, que ce soit le pétrole et tout et tout, quand ils sentent qu'ils ont une capacité qui peut le permettre, il faut casser les prix. Mm. Et nous, ça nous impacte. Oui, et, comme vous, vous l'avez plutôt dit que la Méditerranée, elle fait des morts, rien que le dimanche dernier, 48 euh, Maliens ont péri de la Méditerranée, avaient annoncé les autorités maliennes. Et à la date d'aujourd'hui, le pays a mis les drapeaux en main. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce deuil Oui, non, tout simplement. Non, le Mali encore, moi, je peux comprendre. Parce que le Mali, vous savez, c'est un pays où les gens, c'est un pays de départ. Parce qu'il semble que, le, en tout cas, en, termes de mobilisation, de renvoi d'argent au Mali, c'est plus important que les appuis budgétaires, que les, Occidentaux, c'est que les Malins. Parce que les gens, quand ils vont, ils réussissent, ils font des investissements dans leur propre région, ils créent des hôpitaux, ils construisent des hôpitaux, ils font tout et tout. Mais bon, et quand moi je suis là, dans la précarité absolue, je n'ai aucune perspective, je suis en train de vivre. Quand j'ai la possibilité, je vois un là qui il a envoyé telle chose, telle chose, telle chose qu'on a pu réaliser. Il est revenu lui-même, il, il a pu s'installer. Parce que les gens, quand ils vont, il ne faut pas peur de vivre que ce n'est pas pour rester. Mhm. Ils vont juste pour chercher de quoi s'y réaliser chez eux. Ce n'est pas, quel que soit le nombre d'années que la personne fera là-bas, mhm. la personne a toujours un œil euh, sur, son pays, sur sa région. Mhm. Il veut chercher l'argent pour pouvoir venir faire ce que le gouvernement de son pays n'a pas pu lui permettre de réaliser. Mhm. Merci. Et là, Suleiman, un mot sur ce deuil de 48 heures d'hier à aujourd'hui au Mali à la mhm. mémoire des bon, c'est les conséquences d'une situation. Nous disons que véritablement, cette situation en Afrique, euh, elle est générale euh, on constate que ça, ce n'est que les conséquences. Euh, ce que vivent encore euh, les gens là-bas, euh, c'est encore plus dramatique, comme il l'a dit. Mm. Et les gens, par exemple, ouais, tu, peux avoir un doctorat, un diplôme, ce n'est pas évident. Tu vas te retrouver en train de travailler dans un restaurant, à laver les assiettes. franchement, ce n'est pas du tout de la, de la dignité. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, encore que avec un statut aussi de clando parce que tu n'as pas de papier, tu n'es, tu es vraiment, tu n'es vraiment pas un citoyen. Mm-hmm. Et tout cela, en réalité, c'est le stress que vivent euh, les gens là-bas, c'est l'autre euh, euh, face de la médaille. Il y a quelques cas qui réussissent, mais quand on examine la situation des expatriés, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Les gens vivent des situations qu'on ne peut pas imaginer parce que simplement, nous l'avons dit, ils étaient obligés de, de, de quitter ici. Mhm. On a vu par exemple ailleurs des gens qui ont vendu même euh, leurs biens ici, qui sont retrouvés là-bas en train de travailler ce qu'on appelle le euh, cars, c'est-à-dire qu'ils mhm. vont laver sous le froid, euh, sous les neiges, sont en train de laver les, les, les, voitures. Vous mhm. voyez, c'est vraiment pas du tout la joie mais il faut le faire parce que simplement c'est une crise donc économique qui est là qui pousse les gens en tout cas à, à partir. Dernier sujet de notre forum de la presse, c'est la nouvelle manifestation publique que compte organiser ce dimanche 14 janvier sur l'ensemble du pays le collectif de la société civile. Ce collectif entend maintenir la pression afin d'obtenir la révision de la loi de finances 2018. Jafar, pensez-vous que ces manifestations citoyennes des OSC amèneraient l'État à revoir cette loi qui, qui fait tant de bruit depuis des mois oui, parce que nous sommes, <coughs> nous sommes dans un contexte démocratique où on estime que c'est les rapports de force euh, qui aboutissent à, une option, que ça soit le, la révision ou que ça soit une autre alternative. Mais euh, dans ce genre de contexte, euh, le débat qui sied le plus, c'est que lorsque vous demandez une révision, vous proposiez aussi des, démarches, puisque on le voit si on se rappelle de de la marche de, de, de, la société civile sur le même, euh, sur le même registre, mm. la charité de la vie, mm. sur la, la, suppression de la TVA. On se rappelle pendant la Ve République, euh, ça a abouti à des propositions de la société civile et qui ont convaincu l'État à, à, à à certaines de ces propositions et les, les remplacer par celles des de la société civile. Je pense que c'est ce débat-là qui est important. Mm. Puisque si vous regardez aujourd'hui, euh, dans le contexte africain, et même euh, qu'il soit sous-régional ou euh, euh, régional, on constate que c'est le même débat. On a vu la même situation au Bénin, mm. on la voit aujourd'hui en Tunisie où ça est a des manifestations d'abord plus, plus compliquées que chez nous. On a comme l'impression que euh, le monde est dans une situation euh, très euh, financièrement très délicate et les gens se reposent, le gouvernement se repose sur leur propre mobilisation mhm. interne. Mais c'est une mobilisation interne qui, devrait être concertante. Mhm. Il faut que tous les secteurs s'associent pour dégager ce que doit être la mobilisation de, de, ressources. Merci à vous, Sénissa. Votre point de vue sur cette euh, lutte des OSC rapidement. moi, je pense que la lutte hein, en matière démocratique, je pense que c'est quand même une option qui est là, qui s'offre aux citoyens mhm. qui n'ont pas voix au chapitre quand il s'agit des institutions, des assemblées ils n'ont pas, ils ne peuvent pas aller s'exprimer. C'est une manière de s'exprimer, les citoyens, pour que les citoyens puissent s'exprimer. Mm-hmm. Et je ne vois pas pourquoi le plus souvent, systématiquement, on interdit que les gens fassent des manifestations, ces dernières années, mm-hmm. alors qu'à l'époque, c'était quand même euh, machin. Qu'on dise qu'il y a des débordements et tout et tout, moi j'ai dit, les gens sont quand même assez responsables. C'est les mm-hmm. mêmes acteurs qui sont toujours sur le terrain, c'est eux aujourd'hui, c'était eux hier qui faisaient les manifestations. C'est les mêmes acteurs qui sont aujourd'hui encore sur le terrain. Mhm. Une fois qu'une manifestation est autorisée, ceux-là qui ont décidé ou qui, sont responsables moralement et ils doivent s'assumer et ils vont s'assumer. Merci à vous. Pour finir avec vous, L.H. Suleiman, qu'est-ce que ces OSC doivent faire davantage pour avoir satisfaction rapidement euh, Bon, je pense que le débat a été fait dans le processus d'adoption de la loi. Euh, ce qui s'est passé, euh, il y a un débat donc, au niveau national où les uns et les autres ont eu à dire ce qu'ils pensent. Euh, malgré tout, donc euh, l'Assemblée a cru bon donc adopter euh, la loi. Maintenant, donc la société civile, une partie d'elle considère que il faut, en tout cas, lutter de l'espoir de, de, faire revenir donc le, gouvernement sur donc cette loi. Donc bon, je pense que c'est démocratique. Euh, euh, les gens euh, donc vont lutter, mais je pense que ici, on va voir demain, parce qu'en tout cas jusqu'ici, on n'a pas appliqué c'est interdit. Mhm. Parce qu'il y a quand même quelques problèmes. On ne voit pas l'aspect spontané compte tenu de, en tout cas, du débat qui s'était passé il y a eu quand même beaucoup de temps, les gens ont même fait du porte-à-porte. On ne mhm. voit pas l'esprit spontané de la lutte où vraiment les gens euh, vont franchement s'engager véritablement. Euh, Mais je pense que demain, c'est un test, euh, si la manif, effectivement, va se passer, un test de voir véritablement si l'adhésion de donc la population sur donc, le gouvernement. Ça peut être un signe justement, pour l'opinion pour, pour publique, en tout cas, et pour le gouvernement surtout. Merci à vous. Nous sommes au terme de ce forum. Nous étions avec Hussein Issa, journaliste indépendant. Elaj Suleiman du journal en Ligne Niger Inter et Jafar Mamadou du journal L'Indépendant Plus. Merci à vous. Merci chers auditeurs et auditrices de votre attention. Rendez-vous demain samedi et dimanche à partir de 17h15 pour le forum à Hausa et en Zerma sur le contenu et l'importance d'une loi de finances. Bon week-end.